de votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je me nomme tout simplement Ali Moukela Ousseni alias Seno et à mes côtés ce matin, Mariam Adé Ibrahim. Mariam, bonjour. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Dieu merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et aujourd'hui, comme invité, nous recevons El Sadat Abdoulaye Abdoul Salé, un jeune rappeur qui est très très connu ici au Niger. Il sera avec nous dans cette émission. Dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Dosso. Il y aura également la rubrique Hebdo consacrée à la justice. Les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Fanta Chamsou et à la technique, nous avons la grande dame Amina Hassan. émission avec les flashs d'informations présentés par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam ce matin. Alors pour ce matin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe à travers son communiqué numéro 23 que l'espace aérien national est fermé à partir du dimanche 6 août 2023 à tout aéronef jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure explique que le CNSP est prise face à la menace d'une intervention militaire étrangère qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin. Le CNSP affirme dans le même communiqué son intention de riposter de façon énergétique et instantanée à toute tentative de violation de l'espace national. Ensuite, l'instabilité et les sanctions risquent d'aggraver la crise humanitaire, surtout pour les plus vulnérables au Niger, selon un communiqué des ONG humanitaires publié samedi 5 août 2023. Les ONG ont mis en garde qu'un déséquilibre accru et des sanctions pourraient exacerber les besoins humanitaires des plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Selon ces organisations humanitaires, la combinaison des sanctions et des conflits avec les vulnérabilités existantes au Niger Niger pourrait avoir des effets dévastateurs sur la vie de plus de 4,4 millions de personnes au Niger qui ont déjà besoin d'aide humanitaire. C'est pourquoi elles ont plaidé pour l'inclusion d'exemptions humanitaires dans toutes les décisions, y compris les sanctions, afin de prévenir les effets néfastes sur les civils. Enfin, après neuf jours de compétition sportive et culturelle à Kinshasa, le club de fin a retenti hier dimanche 6 août dans une ambiance festive des 9e Jeux de la francophonie. Le Niger s'en sort avec 16 médailles au total, dont 3 or, 7 argent et 6 bronzes. C'est tout pour ce flash d'information de ce matin, Mariam. Merci Rafika, à bientôt. À bientôt, Rafika. Alors, Mariam, comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité dans cette émission El Sadat Abdou Saleh, artiste, compositeur, rappeur. Mais avant de lui donner la parole, nous, nous allons d'abord écouter ensemble l'un de ses titres. Il s'agit du titre Lamba Daya. On vous laisse kiffer. <laughs> What's that? What's that? What's the answer? kara fa sana saba kyawawan miji dala a sun fi ɗari cikin kisa mahasada da yiwa kamar kuda flo na jero musu guda guda gani nan bari nan je ka tambaya ina ruwan buri da gada ka sai da neman magana ba wani malam aiki ke biya basirar waka kamar ruwan maliya muke waka sauran suna bara tashi muke tuku kan zakara aiki kawai malam ba shagwaba karka gwada karka gwada na gaba gare ka sun sunyi sun ma su hakura ina gaban su duk kowace shekara bani zama wuri ɗaya da gara na gagayu na ta neman bezin cika aljihu in basu da gardama sabin dare maraitan kura sanin maza sai a goga kai dan halak bai taba kunya fa lamba daya ni ne lamba daya duka su mala na bar su a baya babban mota ai sai manyan kaya lamba daya ni ne lamba daya duka su mala na bar su a baya babban mota ai sai manyan kaya lamba daya ni ne lamba daya lamba daya ni ne lamba daya lamba ɗaya ni ne ni ne lamba ɗaya dukkan su malam na bar su a baya isi manyan kaya ci baya ne karshen mai hasada rap nijar malam sai na kai ta nesa kajin an ce elsa to bari gardama ban hutun jaki da kaya a baya da adam bai da amana ka kashi inuwa ya mai da karana saboda maciji bai hana lokaci na ne ku kaya tara da tara na kara da tara ai tunda na fara gayu da sun suna makara muke da basira kamar inji fro ina ta sarrafawa da da mutuncinka da ka sai da kanka ake sayanka ba waka bace kawai yaki na ta tada haka lamba daya eh. ni ne lamba daya eh. dukkan su malam na bar su a baya babban mota isi manyan kaya haka lamba daya ni ne lamba daya dukkan su malam na bar su a baya babban mota isi manyan kaya lamba daya skill ni ne lamba daya skirl lamba daya hey ni ne lamba daya lamba daya ni ne ni ne lamba daya dukkan su malam na bar su a baya babban mota isi manyan kaya Eh oui, Lambadeya, chers auditeurs auditrices, c'était tout simplement le titre de cette belle sonorité musicale composée par l'artiste Elsa qui est avec nous dans cette émission. Alors Elsa, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre échange, parle-nous un peu de ce titre Lambadeya. Voilà, au fait, à travers ce titre, tu as entendu, j'ai dit Lambadeya. Lambadeya, c'est tout simplement euh, le numéro 1 donc, euh, c'est un Hausa. Euh, j'aimerais dire euh, par là que je suis le numéro un dans ce que je suis en train de faire. Donc, tu vois, toi, tu es le numéro un. Mariam pareil dans ce que tout le monde est en train de faire. C'est pas venir me proclamer, bah voilà, moi je suis le numéro un parmi tout, tout le monde. Non, mais je suis le numéro un dans, ce, que, je fais. moi. Exactement, exactement. Alors, c'est ce message que tu voulais euh, faire passer à travers ce titre Lambadea. Super. Alors, Elsa, dites-nous comment avez-vous découvert votre passion pour les rap en tout cas, pour le rap, je vais pas dire pour le rap. D'abord, c'était la musique depuis enfant. Moi, mhm. je kiffais la musique quand on mettait les clips de Michael Jackson à la télé et tout. Moi, j'étais là toujours devant la télé. Ma maman applaudissait et tout, quoi, tu vois. Mhm. Donc, après euh, quelques années, moi, je me, suis dit, l'inspiration m'est venue pendant une période très difficile que je traversais auparavant. Donc, euh, moi, je me suis mis à gratter, gratter, à écrire avec les textes, quoi, tu vois, mhm. pour exprimer ce que je ressens, mes sentiments et tout. Mhm. Donc, moi, je me suis dit que c'est là où je commençais à rapper. Ok. Voilà. Ça a commencé avec Michael Jackson. Là, vous voulez dire que vous avez débuté avec de la danse parce que quand on, quand on entend Michael Jackson, tout de suite, euh, on se donne l'idée de, de, la danse. C'est vrai. Au fait, moi, c'était l'ambiance qui me plaisait. Ah, c'était l'ambiance, tu vois, dès que euh, la musique, vraiment, elle est audible mhm. et vraiment, je kiffe, moi, je me mets. Donc, euh, comme les hindous et tout, moi, je dansais devant. J'étais trop, tellement petit, au fait. Mhm. Donc, après, euh, je me suis retrouvé, comme je t'ai dit, parce que je traversais une période vraiment bizarre. Donc, euh, directement, j'étais parti sur le net. J'ai pris un, j'ai téléchargé un instrument, mhm. instrumental face B. J'ai commencé à gratter dessus. Donc, mon premier titre, je peux dire mon premier texte, c'était garder espoir. C'était un truc, euh, voilà, il faut garder espoir dans la vie, peu importe ce que tu traverses, voilà. Donc après, je me suis, j'ai pris goût comme le dit. Mhm. Donc euh, après, je continue. C'est devenu vraiment une passion. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à, vous lancer dans le rap Parce que au début, c'est Michael Jackson qui vous donnait de, l'inspiration. Et Michael Jackson, il est plus dans le dans le pop, voilà, l'afro-pop. Bien sûr. après, aussi, j'étais très fan de Gims. Ah, Maître Gims. Donc, euh, c'est là où ça a commencé le rap. Hein. Hmm. Voilà. Avant de poursuivre nos échanges, Elsa tu une petite pause musicale pour écouter encore une fois de plus un de tes morceaux qui est très connu et très écouté. Il s'agit de votre featuring avec One Je suis béni. Yeah. Elsa One tu connais la suite. Ils ont tenté de m'exterminer Ma mission n'est même pas terminée. Trois pas dans les dos après mon concert, vous n'aurez jamais dû me louper. Toi t'attends même pas à ma cheville, Tu moi qui veux-tu tester. Ta carrière est risquée, si tu me suis tu vas souiller. Et ça, ils sont ils sont dans la merde. Entre nous les carrés quand ils sont dans la S. Elles sont de qualité pour les démonter. Ils sont pas contents. Hmm on va les contrer. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, Tu t'es dans mon cœur. Ah Elle is mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, l'ambiance est bonne on est entre frères. Elles haïssent mon one. Et c'est ah, sans rancœur. muna nema ga Allah su ko gare mu kwata kwata sun ki jenin su mu komin girma hannu bai rufa rana wanda gare su bai ishe su ba dan abin hannun mu ya tsone musu ido ah, to ta Allah ba ta ku ba kullum fatan su su dai su gan mu arame ba ku ki ba sai dai kullum ku rame Allah ban makiya dubu da yawa kum ka kare mu da shirin su duka sun yi sun yi dan su gan mu a kasa mun ki mu fadu mun yi tsayin daka boka na malami na shine Allah waye isa ya ja da ikon Allah murmushin uwa ta ya Ici ishe barga barka na kashe wani yes Et eh oui, ça se passe comme ça en direct, hein. Toujours dans le studio, du studio Kalamou. T'es dans mon cœur. Oh, Elsa is for one. Avec l'artiste Elsa. Hey. Je suis béni. Béni de béni. Oh mon nom, tu ne peux le salir. Jamais. Jamais. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Hey. Et ça qui for one. C'est ah qui Et c'est ça en cœur. C'est qui Kinibé, c'est qui Kinibé, c'est qui Kinibé. C'est Kinibé, c'est Kinibé, c'est qui ah. C'est c'est c'est Tous les mots. C'est qui bé c'est qui bé c'est qui bé on y va, tout le monde, hein Tout le monde, hein Tout le monde, hein C'est nos danses, c'est nos danses, hein, hein <laughs> Tu t'amuses Yes, <laughs> ça fait plaisir Voilà, retour au studio avec notre invité, mesdames et messieurs. Ça se passe en direct live avec l'artiste Elsa. Alors Elsa, euh, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la continuité de votre carrière musicale Les difficultés, c'est pas à mon niveau seulement, si je peux dire. Les difficultés, c'est un peu partout. Vraiment, le pays a, comment on appelle ça On a du mal à exporter notre musique. Et on ne fait que consommer les Nigéras, mhm. les Ivoiriens, mhm. et pourquoi pas exporter notre musique, Mais nous aussi. Qu'est-ce qui, cause cela c'est quoi la cause, l'agent causal de ce problème-là Parce que beaucoup des artistes qui viennent ici euh, nous parlent de la même chose, du même problème. C'est vrai. Au fait, euh, ça c'est mon avis. Hein. Hmm. Le blocus, moi je me dis souvent, on a peu des, comment on appelle ça, euh, des gens de diaspora qui organisent les événements et tout. Par exemple, si tu vas Mali, mhm. Côte d'Ivoire, Congo, un peu partout. En mhm. Au fait, c'est eux qui, créent des trucs là-bas. Ils font inviter leurs artistes et tout. Et nous, vraiment, on a peu de ces gens. Il y en a, mais pas beaucoup. Donc, euh, pour vraiment, c'est vrai, il y a l'Internet avec les streaming et tout actuellement. Mhm. Mhm. Et on arrive à mettre, on s'est fait des, des petites fanbuzz ailleurs, mhm. mais c'est insuffisant. Il va falloir qu'on fait parler des artistes nigériens ailleurs, qu'on fait parler d'eux, qu'on fait parler. Il faudrait que la diaspora puisse aussi mettre sa main, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, il faut que la diaspora vraiment mette sa main et pour faire bouger cela. Parce que actuellement, la demande, il y en a plein de gens qui sont, euh, ceux qui sont en train de faire, peut-être même ailleurs, on ne peut pas trouver ça. Mm. Donc, euh, on est en train de, de booster le, nu le niveau, vraiment. Et il va falloir qu'on exporte nos musiques pour qu'on soit écouté ailleurs aussi. Et sur le plan national, qu'est-ce qui bloque concrètement sur, le plan national. <laughs> <laughs> bon, que je vais C'est la jeunesse ou bien euh, c'est quoi Le problème se situe au niveau du public ou bien au niveau des artistes Bon, les problèmes débouchent de tous les côtés. Hein. Ok. Ouais, pour moi, euh, je vais pas dire il n'y a pas assez de soutien. Tout le monde a sa fanbase et tout. Tu mm. t'es créé un petit truc, voilà. Si tu fais du bon, tu seras soutenu. Pour moi, hein, si tu fais du bon, tu seras soutenu. Et à chacun son temps. Moi, ce que je me dis, juste que jusque-là, je euh, je vais pas dire que c'est un terrain vers le Niger, mhm. mais c'est en train de changer. Les gens sont en train de comprendre. Il va falloir, il faut soutenir son artiste. Récemment, avec MDM Crew qui ont fait le stade mhm. euh, Barakina, voilà, vous voyez. les artistes se sont mobilisés. Au fait, on a commencé à comprendre. Là, on doit vraiment soutenir mhm. nos gens pour qu'on puisse avancer. On va pas soutenir des gens d'ailleurs, c'est faire des millions et tout, c'est zéro quoi. Donc euh, oh, nous artistes, on commence à comprendre, les fans commencent aussi vraiment à se mobiliser quand on fait des concerts, on voit, là ils sortent et c'est ce qu'on veut. En tout cas, ça commence à venir. Moi, je vois que le positif des hein, dedans. Voilà. Super. Ça va, votre débit à aujourd'hui, vous avez produit combien de titres ou disons combien d'albums J'ai pas à mon actif, j'ai pas un album d'abord. Et ça, c'est par choix. Mhm. Je me suis dit, euh, quand tu es un artiste, mhm. il faut te différencier des autres. Quand on te dit, ah, c'est un tel, on sent que c'est un tel. Donc pour moi, je me suis dit, je vais faire, je vais enchaîner des tubes, faire sortir des sons, des sons. Parce qu'en 2022, j'ai passé toute l'année de 2022 sans sortir un son en solo. OK. C'était des featuring. C'était des featuring. Et ça, c'était, c'était mon idée avec mon équipe. On s'était dit, on va faire ça. Mm. Donc, euh, c'était par choix. Je me suis dit, je vais continuer comme ça. Et l'album, ça arrive dans peu de temps parce qu'actuellement, je suis à 95% de mon album. Mon premier tout album, mon tout premier album du mois. Donc, euh, c'est par choix. On, on, a un peu parlé de Elsa dans le quatre comptes du pays, sans <laughs> album. Pour moi, c'est un défi que j'ai relevé. Tu as déjà combien de titres euh, à ton actif Une dizaine. Une dizaine. Bien sûr, avec des featuring. Et Ça fait déjà deux albums les albums, souvent, c'est six titres. Hein. Bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. <laughs> Donc, euh, c'est par choix. Ok. Super. Alors, Elsa, on va toujours continuer avec euh, nos petites questions. Alors, euh, pour ceux qui aspirent à devenir rappeur, avez-vous des conseils ou des mots euh, d'encouragement à partager avec eux Oui, bien sûr. Parce que moi, j'aime toujours partager, que ça soit tout. Mon petit plat, j'aime vraiment le partager avec tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent embrasser la carrière, moi, je me dis, je ne suis pas un maître, hmm. mais avec, comment on appelle ça euh, la petite expérience que j'ai eue, mhm. je peux dire, il n'y a pas de secret sur le travail. Il n'y a vraiment pas de secret. Mhm. C'est la patience compte tenu de notre zone. C'est vrai, il va falloir faire cinq fois plus que ceux qui sont ailleurs. Il y a certains, ils disent deux. Moi, je dis cinq fois plus. Parce que ici, c'est plus dur. C'est plus dur. va, euh, d'un côté, il y a, comment on appelle ça On nous voit un peu mal. Tu vois La société Bien sûr, la société, mais ça commence à changer. Pourquoi, pourquoi, pourquoi la société voit les musiciens ou bien les rappeurs euh, avec mm. un œil plus ou moins, euh, je ne sais pas. Ah, <laughs> pourquoi, pourquoi Bon, euh, selon vous Selon moi, vraiment, je me dis, pour moi, hein, pour moi, ce que je me dis, c'est depuis avant, avant. Parce que ils se disent, les parents, ils se disent, voilà, un artiste, c'est un griot, voilà, c'est C'est la tradition alors qui est à, la base Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Mais si tu me parles des traditions, si on fait un flashback, euh, je vois nos parents se déchaîner euh, sur des morceaux et tout, je peux pas comprendre quoi. <laughs> Donc euh, moi je sais pas, c'est une idéologie qui est venue comme ça. Mhm. On voit un artiste en grieux et tout, mais c'est vraiment pas ça parce que nous on est dans la musique urbaine, fait. C'est comme un commerçant. Hein. Hmm. On fait un son, c'est quand ça te plaît. Voilà, tu fais l'offre et la demande, quoi, tu vois. Hmm. Donc c'est un peu comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Je ne sais pas c'est quoi le souci, mais ça commence à changer en tout cas. Ça commence à changer. Bien Super. Merci infiniment, Elsa, d'avoir non seulement euh, répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu euh, à toutes nos questions. Nous te souhaitons hein. bon vent hein, dans ta carrière musicale, Elsa. Merci. On fait une petite pause et on revient juste après. Euh, C'est le moment de notre rubrique Hebdo Justice qui va nous éclaircir sur le mot couvre-feu. Bien sûr, euh, un couvre-feu est une interdiction euh, à la population de circuler euh, dans la rue durant une certaine période de la journée qui est généralement la nuit et tôt le matin. Elle peut être appliquée en temps de guerre ou de paix, ou euh, elle est ordonnée hein, par euh, le gouvernement ou tout responsable d'un pays, euh, d'une région ou d'une ville. quelles sont les autorités habilitées à dicter une mesure de couvre-feu Est-ce que la mesure de couvre-feu doit être contestée pour mieux comprendre le concept de couvre-feu avoir des éléments de réponse relativement aux questions posées par Tanan Foudé Ahmed. Tanan Foudé Ahmed s'est entretenu avec Maazou Abdelrazak, doctorant à l'université de Ouagadougou. Maître, qu'est-ce que c'est que le couvre-feu En réalité, on parle de couvre-feu, mais dans le terme juridique approprié, il s'agit simplement d'une décision qui est liée au pouvoir de police dont disposent les autorités qui en sont détentrices. Euh, le couvre-feu, c'est donc euh, une mesure restrictive de liberté c'est une activité de réglementation qui a pour finalité d'assurer le maintien de l'ordre public, dont les composantes traditionnelles sont la tranquillité, la salubrité et la sécurité. À cela s'ajoutent les composantes modernes, dégagées par la jurisprudence du Conseil d'État, notamment la moralité, la dignité de la personne humaine et la protection des mineurs. Quelles sont les autorités habilitées à édicter une mesure de couvre-feu Toutes les autorités qui sont détentrices d'un pouvoir de police administrative peuvent édicter des mesures de couvre-feu. Au niveau national, on a le président de la République et le premier ministre qui sont détenteurs euh, d'un pouvoir de police administrative générale. Au niveau local, on a le maire qui détient le pouvoir de police administrative pour sa commune et le préfet également qui peut agir lorsque l'ordre public est menacé ou en cas d'inaction du maire. En ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, il ne dispose pas en principe d'un pouvoir de police administrative générale, mais il peut donner des instructions au préfet pour l'exercice de leurs compétences de police. Est-ce que la mesure de couvre-feu doit être strictement encadrée La décision de couvre-feu doit strictement être encadrée, c'est-à-dire elle doit être motivée en fait, elle doit être limitée dans le temps sur un territoire donné, et surtout, il faut que cette décision de couvre-feu soit manifestement proportionné. Il faut donc démontrer pourquoi cette décision est manifestement en proportion avec les risques qui sont liés à une situation donnée. Est-ce que la mesure du couvre-feu est contestable La décision de couvre-feu, comme toute décision administrative faisant greffe, est contestable. Elle peut être attaquée devant le juge administratif. On peut soit se contenter d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir euh, l'annulation de la décision de couvre si on estime notamment que cette décision est manifestement attentatoire à la liberté d'aller et venir, ou si on estime qu'elle est manifestement attentatoire à une liberté individuelle, ou si elle est disproportionnée. Donc, euh, dans ces cas, on peut euh, faire soit une requête en référé suspension qui permet au requérant d'obtenir un sursis à l'exécution de la décision. On peut également faire une requête en référé liberté au moyen de laquelle eh, le juge eh, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales. Voilà, c'était là euh, notre rubrique justice. Mesdames et messieurs, prenons encore une euh, petite pause musicale avec euh, cette chanson traduite moderne du groupe Mamarkasé de Yakuba Denke Denke, un groupe qui défend l'identité culturelle du Niger à travers ses chansons. On écoute le titre Dadaya Hume. que vous êtes en train d'écouter un morceau très époustouflant avec un mélange de différents instruments locaux très agréable à écouter, n'est-ce pas, non Oui, euh, Mariam, personnellement, j'adore surtout le son de sa flûte qui donne une couleur de vie en zone nomade il faut retenir que Yacouba Moumouni Denke Denke un jeune berger durant son enfance, puis quitte sa famille à la mort de son, de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il exerce le métier de boya chez la chanteuse Habset Dante qui lui enseigne la musique. Il devient apprenti mécanicien et étudie en parallèle avec le flûtiste Haruna Marumfa. oui, aujourd'hui, avec son groupe qu'il a créé en 1995, l'a nommé Mamar qui est le nom euh, du guerrier légendaire euh, qui a étendu euh, les frontières de l'empire Songoï au XVIe siècle. Ce groupe fait la fierté hein, de la musique nigérienne sur l'échelle nationale et internationale. Il est l'un des groupes nigériens qui fait énormément de tournées musicales en Europe, aux États-Unis, au Niger. On dira qu'il est la référence de la musique tradie moderne du pays. jamani place à présent à l'écho des régions. Oui, Mariam, le reportage en région de ce jour nous amène à découvrir les réalités et les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs de Gaïa en cette saison agricole. Malgré les conditions météorologiques variées, la persévérance et la résilience, les agriculteurs démontrent leurs engagements envers leur métier et leur volonté de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement économique de la région. Le reportage est signé Fadel Alou. Dans le département de Gaïa, on constate un démarrage de la campagne agricole sous des conditions météorologiques contrastées. Les agriculteurs font face à un défi de taille cette année. Alors que la saison des pluies est traditionnellement bien établie à cette période, cette année, les pluies se font attendre igay kafe adimi zanga han kanto jiri iye yan kaza jira haku yan garai ido na kadi idimi yan kan han fo yan kala kala kala borai mafarganda dumari lokaci kul borai iduma dumarai isite da makari borcin domo mala sabun gai go haro batu har beri batu har beri maka ya dinga kala kala kala utu mago koi kai dumari man bani ndi jiri kanya dindi motemo ay kul mante alfarayo senwa Cependant, dans le village voisin de Tanda, la campagne agricole se déroule selon les attentes. Masaudu Umaru Zada, chef du village. Lalle hayan kaidiya iki ina ikwe sabu ina ikwe sabu ba kan manci harogo ka zanga matakan don iga bayin dano amma a gunda haro gunda albarka dimi za kulka idan labuwa a gobon ka a gofai ta gobe wasu wasu ima na dimo gangami za wal haifo kan kan da fitina ise gina a ce L'ensemble des 175 villages agricoles du département de Gaïa ont réussi à semer malgré les défis rencontrés. Idrissa Abdou, directeur départemental de l'agriculture de Gaïa. Euh, on peut dire que maintenant, ça, va. Au tout début, quand même, on avait eu beaucoup d'inquiétudes, mais quand même, maintenant, euh, tout est dans l'ordre avec le retour des pluies. On a 175 villages agricoles. Dans tous les villages, le semis a Le, le maintenant, les gens sont sur le sorgho et le mil tardif. Évidemment, avec les, cultures, les spéculations euh, comme le, le, la l'arachide, en ce qui concerne le niveau de l'évolution des cultures, le directeur souligne que les cultures sont actuellement à des stades variables. Le directeur encourage les agriculteurs à rester optimistes et à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées aux conditions locales. Pour le mil, on a jusqu'à 20% de montaison. Ça veut dire que les premiers semis, on en montaison. Donc dans peu de temps, il sera à l'effaison. Pour l'instant, c'est la montaison. On peut avoir des chiens qui ont un peu épié, mais la majorité, c'est la, montaison. Euh, le stade le plus, le plus bas, c'est la levée pour ceux qui sont en train de semer tout récemment. On a toutes les chances que les cultures bouclent leur cycle. Maintenant, au-delà de 15 juillet, c'est un peu aléatoire. Les gens doivent plutôt aller vers les légumineuses, c'est-à-dire le la l'arachide, qui peuvent tenir sans problème. Malgré les conditions météorologiques contrastées, l'installation de la campagne agricole dans le département de Gaïa progresse. Les agriculteurs font face à un défi, mais ils montrent une détermination remarquable. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les acteurs du secteur agricole pour apporter un soutien technique et matériel aux agriculteurs. Voilà, c'était là le reportage de notre correspondant depuis Gaïa. Il s'agit de Fadel Alou, qui est d'ailleurs en ligne. Bonjour Fadel. Bonjour Seno, bonjour tout le monde. Bonjour, alors ça va bien Oui, ça va, ça va super bien. Et la région de Gaïa, ça va oui, ça va. Euh, on grâce à Dieu. Euh, il n'y a aucun souci. Super. Alors, nous venons de suivre votre reportage sur la situation qui est un peu particulière, euh, contrairement aux années précédentes dans la région de Gaïa. Bien évidemment, la situation concernant cette saison pluvieuse hein, qui contribue hein, pour les agriculteurs. Alors, est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a de l'espoir d'avoir un bon résultat cette année dans la région de, de Gaïa? Ah oui, euh, nous. il y a encore espoir puisque euh, le mois d'août euh, est le mois où on enregistre beaucoup plus de pluie mhm. dans le département. Et le mois d'août, avec ce, début, tient, tient ses promesses, mhm. Depuis ce week-end euh, jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré de fortes précipitations euh, qui peuvent euh, avoisiner les 40 à 50 mm. Mhm. Donc, on garde espoir pour ces agriculteurs qu'ils vont pouvoir faire une bonne récolte d'ici la fin de la campagne agricole. Et vous savez aussi que la campagne agricole s'étend jusqu'à fin euh, euh, fin septembre, début octobre ici mhm. à Gaïa. Mhm. Donc, euh, il n'y a pas de panique. <laughs> Oh, tout, va rentrer dans l'ordre, Inch'Allah. Nous le souhaitons vivement. Merci infiniment, Fadel. Excellente journée à vous. Nous profitons également pour saluer tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté depuis Gaïa. Alors, Mariam Attaquons les Exactement, avec notre chroniqueur sportif qui est déjà avec nous dans ce studio. Il s'agit bien de Guruza Hassoumi. Oui. Bonjour. Bonjour Sino, bonjour euh, Mariam. Bonjour. Alors Guruza, le 9e de la francophonie a pris fin hier en RDC. Oui, en football, euh, l'équipe du Niger, le MENA u vint à remporter la médaille de bronze. En lutte, euh, l'équipe du Niger remporte une médaille d'argent et en lutte individuelle, Djamilou Bonkoy a remporté la médaille d'or et Abba Ibrahim a remporté celle de l'argent. Mansourissa, quant à lui, s'est contenté de la médaille d'argent et Nour Hassan et Zakirou Zakari, chacun a remporté une médaille de bronze. Super. L'Académie des arts de Niamey a accueilli hein, le championnat de la commune Niamey 1 de Taekwondo, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Euh, c'est la première édition d'ailleurs euh, de cette euh, compétition. 17 clubs étaient au rendez-vous avec 257 athlètes. L'objectif de ce championnat, il faut le rappeler, communal du district 1 de Taekwondo, découvrir les jeunes talents de la commune. selon Abdul Kadri Adamou bon canot, Il est le secrétaire général du district 1 de Taekwondo. Nous l'écoutons. Alors, euh, cette compétition, d'abord, euh, dans le plan d'action même de, de la Fédération nigériane de Taekwondo, elle est, inscrite. Et euh, elle est faite, en fait, c'est pour promouvoir le taekwondo en tant que sport d'excellence et de respect. Donc le but, c'est de découvrir les talents en fait, de notre commune dans toutes les catégories confondues afin de les améliorer. Alors le nombre de clubs qui ont participé cette fois-ci euh, sont au nombre de 17. Mais il faut noter que le nombre de clubs qui sont dans la commune dépasse largement 17. Mais compte tenu de certains critères, qui des critères rigoureux qui ont, mis, qui été mis en place, euh, euh, nous, avons, eu la participation de 17 clubs. Sur les 17, les 17 clubs, nous avons eu euh, jusqu'à 257 athlètes qui se sont inscrits dans jusqu'à 23 catégories, dont 15 catégories euh, masculines et 8 catégories féminines. Les prix, euh, la première équipe va remporter une enveloppe de 100 000 avec bien sûr des médailles et aussi une coupe. la deuxième équipe va remporter une enveloppe de 115 000 francs avec bien sûr des médailles et la coupe. Et la troisième équipe 50 000 francs avec des médailles et la coupe. Il y, aura également des trophées pour euh, le meilleur combattant dans les catégories de garçons et aussi un autre trophée pour euh, la meilleure combattante dans les catégories des filles. Tout se passe normalement Tout se passe bien dans l'ensemble. Nous avons le moral haut et on tient bon. Voilà, c'était là Abdelkadri Adamou Bonkano, le secrétaire général du district 1 de Taekwondo. Voilà, c'est nous, Myriam. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci, infiniment, Gourouza. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Après les sports, c'est nous allons découvrir notre stade du jour qui, qui s'y trouve au Burkina Faso, voisin du Niger, qui est l'une des destinations préférées de plusieurs jeunes Nigériennes pour exercer des petits commerces. Oui, c'est euh, c'est pays qu'a choisi notre compatriote Issa Oumarou euh, et y exerce le métier de tailleur ambulant dans la capitale Ouagadougou. Portrait réalisé par Faridi Bourema. Telar ɗumki bisa ka faɗa almakashi ga hannu isa na zagaya lungunan babban birnin ƙasar burkina yana tafe yana kaɗa almakashinsa shaidar nunawa kwastamomin da ke da bukata cewar ya zagayo isa da wannan sana'ar yake rayuwa a cewarsa. Sun ga mun zo cikin garin burkina faso lalle yana muke aikin tela Kadan kadan dai wata rana ka samu da yawa wata rana ka samu kaɗan kaɗan eh, saboda harka duniya kowa ya san da ya sai a hankali ra asibiti mutum na ringa samu jika biya abin da ka jika hudu jika uku kuma kamar yan lahadi kana iya samu jika hudu to dai tu dai da babu aiki kamar yau na landi mutum yana samu sai da ba samu aiki da yana samu hudu biyu ko jika biyu to abun da sare na to da gida na wani ne ga ina aikin tela saboda mutum tsaya gida kamar ayyukan na ba su samuwa can gida eh, nan ne gana muna samu ayyuka muna yi a wani balbalin gida Sumaila ya sa wa Isa kira domin wata bukatarsa a ganinsa wannan sana'ar ɗumki ta masu kai kawo abin yabawa ne sosai. Puisque aussi, pour pour tourner, pour avoir de quoi manger, nous Si tu as ton pantalon qui est déchiré, tu, dois aller à quelque part. Si tu n'as pas cousu le pantalon là, je pense que là où tu dois te rendre là, ce n'est pas possible. Si on a des petites réparations de gauche à droite, on peut les appeler. Ils vont essayer de, de réparer on va leur demander le prix. Quel que soit le prix, si c'est discutable, je pense qu'on peut s'attendre. C'était le portrait réalisé par Farid Bourema, traduit rendu au studio par Gungu Dantani. Exactement, Mariam. Alors, euh, chers auditeurs, bouclons ensemble notre playlist musicale d'aujourd'hui avec euh, ce titre qui va euh, nous faire plonger dans la reconnaissance de notre identité culturelle. Il s'agit bien du titre Donner Nogakanu de Mamoudou Walam. ndingaliyo garaba kaine biba baba ndai zang maganu ndai zang maganu wa fafaika mo magirbi kai ai bunno boga haga bunangaliyo biba baba marjaran alhaji wala si sai jamma kunye dada bibe jadi wala ben mun lo hamani la zare ne kuya so fere ni mamo yali mbore kindo duga tema kindo mo duga hau jam gunigari jo haruna widanga ya sanera imi kimo wai nyangaise jahado sindanani gama lafiya nere sino wiyando jibiyilla wahijo ne korane sanno ga kungu ganda wi haikulu sina daino jam madalla biba baba aliyu biba baba na tini nga ba du kai ne wi som nai sa ga haru som nai mo to warar kai ah. Mola ne bibi jadi, Baso ne bibi jadi, Dai Mustafa bibi jadi, Aliyu biba baba, Wafon ne safi goka, wafannai ka goka mai wala kurana kai Izu wai kindo mai ji? bagada da magoro nyongose jalagoja wala solla arun naga baga ganu arun ga baga gano satar kan man na ko ba sai hije farka majante kai nori ah ka madal nabi faaliima kunye walla sunnaatili wagayyo wi sunna faadi kunye da jaaraliima kunye walla daadaa gammi kunye mama ne ganda suna kuna sanda tawaye tawaye ka mbore kindo duga tema kindo mo duga hau jam kwata kunai ya kuya maruwa na ngala hajide asimi tubari kalla dangilera tubari kalla adara chaido ya kuya molana la hazilati alhaji ko bara mana ka lazare no ga garu dai budal ne akwai mana malifa akwai da wal korau fa akwai da wal mamman fa akwai da wi ham kulakan ga kanu wi kanda masinda wa bil habiba baba wayija dara mariyo wayija dara mariyo wo kan mo soro guddi kuri ñoma sidirga moru jam ndey mamadou zara maganda ndey managa neye koyya wi sagaga gunni liɓore wi sagaga gunni liɓore mbamohono ɓoraga nesi walkolla kininiga sayri wala kuuda kininiga sayri wiisaaga naaga fartaade isoboranoga lala jam ka Et oui, voilà, mesdames et messieurs, à présent, c'était bien le titre Donei Gakanu euh, de l'artiste Mamoudou Walam, tout en espérant que euh, ce titre vous a fait voyager hein, musicalement parlant. Alors, voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti. Dans les lotis d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu évoquent l'importance d'avoir un commerce ou une autre activité en dehors du salaire mensuel pour se mettre à l'abri du besoin. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Hawa Ousmane. C'est parti. Affairage, affairage, affairage, affairage. Bonjour ma chérie, comment tu vas Bonjour ma puce, je vais bien, Dieu merci. Et toi Je vais bien aussi ma chérie. Comment ça se passe le boulot Tu as bien fêté, j'espère. Dieu merci, la fête fut belle. Espérons de même de ton côté. Elle fut très belle même ma chère. Sauf qu'elle a consommé toutes mes économies. Je me demande même comment je vais faire pour tenir ce mois-ci. Toutes tes économies Wallahi, je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé la totalité de mon salaire, je t'ai dit. et toutes mes économies aussi. Attends, qu'est-ce que tu racontes Explique-moi. Ma chérie, expliquer quoi C'est ce que tu as entendu, non Donc toi, tu comptes uniquement sur ton salaire. En dehors de ce dernier, tu n'as aucune autre source de revenus. Non, non, non, c'est ma seule source de revenus, comme ça. C'est avec mon salaire que je fais toutes mes dépenses. Ah, je comprends mieux pourquoi tu as toujours du mal à terminer le mois. Donc toi, ton salaire n'est pas ta seule source de revenus Bien sûr que non. Tu as oublié qu'à côté, j'ai mon petit commerce. Ne sais-tu pas que le temps où on ne comptait que sur son salaire est révolu Tu parles de commerce. Ça, c'est pour vous. À peine j'arrive à gérer avec mon argent. Donc comment faire pour faire commerce dedans encore Qui t'a dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire du commerce Explique-moi, même. De nos jours, il suffit juste d'avoir un peu d'argent et te lancer dans un commerce, Fadima. Ah, je vois. C'est vrai. J'ai remarqué que maintenant, de plus en plus, beaucoup de femmes font des commerces hormis leurs travaux. Bien sûr, maintenant les femmes deviennent de plus en plus entreprenantes avec de très bonnes initiatives. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. Je m'y mettrai dès maintenant. Je t'en prie. Tu sais, non seulement cela te permettra d'arrondir tes fins de mois, mais te servira également à beaucoup d'autres choses. Je te remercie vraiment, ma belle. Je t'en prie. Je te laisse, je retourne à mon bureau. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'accompagne dans ce cas. Ah, vous là, vraiment, vous êtes très malin. De... moi, je veux commencer à faire ce commerce-là. En tout cas. <laughs> Voilà, Mariam, c'était là le loti du desk femme du studio Kalangouge. En en Hausa, <laughs> On dira merci euh, pour euh, ces conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Jackie Dalton. Aujourd'hui, avec Jackie Dalton, nous allons découvrir euh, ce que signifie le mot en anglais I don't understand. Hello, I hope you're well. Bonjour, j'espère que vous allez bien. I don't understand. Can you repeat that? Aujourd'hui, on parle de comment s'exprimer quand on ne comprend pas ce que quelqu'un nous dit. Je ne comprends pas. Savez-vous comment le dire en anglais? I don't understand. Understand, ça veut dire comprendre. I don't understand. Je ne comprends pas. Pour dire je comprends, c'est I understand. I understand. Je comprends. I don't understand. Je ne comprends pas. Une autre phrase utile. Can you repeat that? Can you repeat that? Pouvez-vous répéter Can you repeat that? Et maintenant un quiz pour voir ce que vous avez retenu. Comment dire je comprends La réponse I understand. I understand. Et comment dire je ne comprends pas I don't understand. I don't understand. Et comment dire Pouvez-vous répéter Can you repeat that Can you repeat that I don't understand. Can you repeat that? That was today's English phrase. I hope you understood. and contact us if there are words or phrases that you'd like us to explain in English. N'oubliez pas de nous contacter s'il y a des mots ou des phrases que vous souhaitiez qu'on explique en anglais. Merci et à bientôt. Thank you. Until next time. Merci Jackie pour l'explication. Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. ai magaci ya da mi da ki gabai da ba makka da don don lara ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu ya kan da nabari ya kan da bon yan alan da ya kan da kiti fonda yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon fere irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ngai goye ta dawo ki magaban da ga irko makamu da ngise ngai go am da gina jina mun di go ga dai kadai hankan ga himan da burmun ware dai irko matantoni tontoni se go yi mu da gina jina tina jina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kai n'o kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koi kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ngan ninga wani almayalai kulu ai ma hagar abdullahi kan go ballai yar sato ai ga hangan karanguya karangu sigire wo kan ga kanai se gir kurkan ma sannu kurkai mara gyofo bondo man ci kala gumra ne mara kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai mara nan gu fono kalai ma hangarin sigyo kalunga mi hebo hanga dai mara sigyo kalunga ne wo yadda wo no nan ai wo ai fanda ki ga gan cimu fanda no nan ai wo halho kan ina da halho da futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no da wondi yai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan sanno salan sai da mi hagwajin gai ba funi matkita kulu an gai no ka kanai si korai do mo halho hayya ngai do har zangai eh, fut we way mata kigite endi dangai haye ngadi ker gamara ki na kigite si hal hongunu na ayu aka kane si kuli gachi, ngunu na wallahi ayu aka kane si giro oh. kigite guru way cindu ay go sigir fo hangan ni sur kalangu aka kane se gum gum gum sigiro hangan ba ga hmm. futa gay bonna ga salan do na ga asenu ay ga to madalla sintina dai ay gir president to kanki nyalo logo fo ay ga malama fo hal hon ay ga bero nya fo ngamu hal hon ngamu iri hanga siniyanno

accueillons à présent de ce studio Nafisa Adamou pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam, bonjour Seno, bonjour, euh, chers auditeurs et auditrices. Plusieurs milliers de citoyens qui soutiennent le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP se sont rassemblés hier au stade de Niamey à l'appel du mouvement de la société civile m 2 pour soutenir donc le CNSP. Les points forts de ce rassemblement sont à suivre dans nos éditions du soir. Ensuite, l'espace aérien national est fermé à partir du dimanche 6 août 2023 à tout aéronef jusqu'à nouvel ordre. Une décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les raisons aussi sont à suivre ce soir. Dans le magazine Justice de ce lundi, un juriste nous édifie sur ce qu'est un faux témoignage et les sanctions prévues par le Code pénal pour cette infraction. Rendez-vous donc à 17h. Merci. Merci infiniment, Nefissa. Chers auditeurs, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble dans cette émission. Nous allons écouter euh, un dernier titre de ce groupe euh, qui ne plus à présenter. Il s'agit bien du groupe Soga qui nous chante ici Wahinsuru. Eh oui, Wahini Sourou, cher auditeur, c'est sur cette euh, belle sonorité musicale qu'on va se quitter. Vous étiez en compagnie de moi-même, Senou, 50% et Mariam Adé. À l'audition, c'était tout simplement Fanta Chamsou, la fantastique. Et à la technique, c'était tout simplement Amina, Hassan. Sur ce, on vous dit ciao, ciao. ciao. À demain.